les avant Flecha, Savon Sabah, bye c'est CFAO. BHT Jabba. Sivoderm, Nova, Sivop. SunoShopping.com. Mangalis Hotel Group avec les marques Noom, Sim,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 Impact remercie ses partenaires. Duchesse Garden, Spa and Beauty. Influence, Nineaya. Madifa, Tagalu Head Wraps, Shenko Prestige, Karidja et Khadija, Fondi, Kani Fashion, Put Ruby, l'horlogerie sénégalaise. Alors cette fois-ci, tu me diras quoi Que la mort de Franck a été causée par mon père ou cette fois-ci, ce sera ma mère Jessica, tu dois me croire. Cette dame ne sait pas ce qu'elle raconte. Cette dame, elle est plus crédible que toi et toute ta famille réunie, Moussa. Ne t'avise plus jamais, je dis bien jamais, de me faire gober des salades. Ce ne sont pas des salades, Jess. J'ai des preuves. Ah ouais Bon, des débuts de preuves, mais pour le moment, tu dois me croire. Garde tes preuves pour la cour. Regarde. Dis-moi où est le téléphone de Franck. Au revoir, Moussa Si Mike s'intéresse autant à ce téléphone, c'est parce qu'il cache quelque chose. Quoi J'ai les messages que Mike a envoyés à Franck le jour de la manifestation. Je ne peux pas t'en dire plus, mais sache que Mike en sait beaucoup plus qu'il le prétend. Jess, tu dois me croire. Va vérifier le téléphone de Franck, tu sauras qu'il a supprimé les messages, j'en suis sûr. au Je ne sais pas. Je te rappelle que Yaïs est mon avocate. Et tu peux pas venir ici me servir des je ne sais pas. Et ça, lan que beaucoup ma wax Lan. Je te rappelle que Dambi mom lañ donne 7. Juste parce qu'on savait que Momo mot ko Mais Là, yow la wax la gis Isa, explique-moi comment s'est passée la manifestation tu vas-y dis-le arrête s'il te plaît non toi arrête da nga jàpp ne dama lay FN. non alors c'est quoi je veux juste savoir boo tiré woon franc ding ma wax ni ne que yow yaa ko tiré écoute ne le prends pas mal je veux juste t'aider lél lu ñu bëgg moy génnee la fi xamna li ngay dund. non je ne sais pas xamuloo li ma nek di dund fi Aminata xamuloo lan mooy jeex xamuloo lan moy devoir passer ces journées ici tu ne sais rien de tout ça et tu ne le sauras jamais xamuloo lan mooy nekk xale di rêver topp say tànku baay suba ak ngoon guddeeg bëccëg tu te bats pour ça je me suis mis à deux ma maman pour juste être policier xamuloo c'est quoi tout ça xamuloo c'est quoi ce battre pour un rêve et tey ma yegg si ça c'est pris. tu ne sais pas c'est quoi c'est Aminata xamuloo ne souvent ak ngoon guddeeg bëccëg fii ma toog nii ma mënuma lekk mënuma ma ndax lekk bu bon xamuloo bët yi ma yeneen prison yi di xoolee Comment tu m'as dit que tu paquet Tu ne sais rien de tout ça. xamuloo ne chaque jour de mes deux de suba ak ngoon bañ fièvre. feebar fièvre ma feebaree ne tu ne sais pas Aminata. non tu n'es pas désolé tu ne sais vraiment rien. tu es dans ton monde de riche tu as la monde de qui fini. non. dans la da nga foog je suis la fille de maître de Aminata Mbengue pour pouvoir me faire sortir d'ici tu penses que ça se passe comme ça tant que tu ne sors pas de ta zone de confort nga nangu jël ay risques Aminata Mbengue man ak yow tu peux mettre une croix dessus ndax du ma génn fii à vrai dire j'aurais dû prendre maître Dabo ndax moom au moins dama na def li mu pour gagner ma fii. da nga nekk di insinuer ni que nekk ma di def li ma oui c'est bien ce que je dis Aminata Mbengue boo gisee sa baay li mu nekk di def pour tout ma nga war a xam ne defoo dara lu ma gagner génnee et même Boudoulman, au-delà de ma personne, Aminata, pense à toi, à ta carrière, pense à tout ce qu'on a traversé pour que tu aies un bobo avocat qui me défendre. Je me suis mis contre des personnes qui ne comme le Et aujourd'hui, tu es en train de leur donner raison. Tu devrais te ressaisir. C'est pas de ça que j'ai envie wax s'il te plaît Moussa. lan la lu xew. laaj ko frère avec tous les sacrifices que j'ai fait je me tue à la tâche À lu may wax lu que je n'en fais pas assez. Holal, ce qui vient de se passer mon ko rek c'est normal tu dois te calmer nga top a Issa actuellement lui il risque gros parce que mère bi arrangé wul dara en fait su ma la xaaree fii c'est juste pour xam lan la ñuy def. lu def xaw cette dame a dit devant tout le monde que Issa le gis mu mais loolu mënul nekk sûrement avocat bi moo monté dossier pour me wax loolu réfléchis. sama papa melul noonu. sa papa nga wax mais man avocat bi laay wax xam nga lan nga war a laaj sa bopp sa papa bu demee ba am CV zéro defet nan la def ak sa papa bu nekkoon ci situation bii yow nga nekk lan lay def. lekkatuma naanatuma ndax dossier bii. len daal xam naa ko sa papa du koy toog di jooy nii eh, de ki ma gis. bu jaré joxé bakanam ngir am ndam dina ko def te du ci hésiter té yow loolu moo la manqué xam nga nak lan nga wara xam tu n'as qu'un seul choix pas deux tu dois te décarcasser pour génne Issa de prison wala tu plaques tout nga dem toog ma chérie me manque. <laughs> je suis venue lui faire une petite surprise. yaay booy foo nekk kañ nga ñëw. maa ngi d'accord ça amee jot rek d'accord j'arrive. ok ma chérie. merci. je t'en prie. On vous a réservé une chambre avec vue sur la mer. C'est la chambre 307. Pour le petit déjeuner, ce sera un buffet ici. D'accord, d'accord. De 6h30 à 10h le matin. Vous avez besoin d'aide pour les bagages Non, c'est bon. C'est par là, l'ascenseur est là. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon séjour. Angel. My garden. Bah, si vous me cherchiez, vous aviez juste passer un coup de fil et moi je serais passé vous prendre. Détrompez-vous. J'ai un rendez-vous avec de potentiels investisseurs qui ont choisi votre hôtel comme lieu de rendez-vous. Ah, bah, si je savais que vous cherchiez des investisseurs, qui sait, j'aurais pu vous faire un petit chèque. <laughs> Jamais je ne partagerai mes parts avec un homme comme vous. Bon, ça tombe bien parce que moi, tout ce que j'ai envie de partager avec vous, bah, c'est votre cœur. <laughs> Pour ça, il faudrait déjà que j'en ai un. Euh, attendez, attendez, attendez. Vous savez, je vous aime bien, franchement. J'aime votre, votre façon d'agir et tout. Franchement, j'aime bien. Et j'aimerais qu'on se connaisse mieux. Je pense pas que vous tenez le même discours après m'avoir connu. Euh, je vais prendre le risque. Ok. Vous savez ce que je propose mhm. On repart de zéro. D'accord moi, je vous offre un séjour dans mon hôtel à partir d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer vu que on bossait dur et tout. Donc, vous pensez m'acheter avec un séjour dans un endroit paradisiaque, c'est ça Acheter Acheter, non, voyons. Moi, tout ce que je veux, c'est réunir toutes les chances de mon côté, vous voyez, vous avoir à mes côtés pendant sûr. le week-end, on va mieux se connaître, vous Bien sûr, faire connaissance. Vous savez quoi, Mike Radel Vous voulez jouer à ce jeu On va jouer à ce jeu. Excusez-moi, monsieur Gradel. Cet homme vous attend depuis tout à l'heure. Ah, ok, merci. Ok, merci. Bon, je vais être en retard et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend. D'accord. Euh, je vous fais parvenir les clés à votre table. Hein. Eh, toi, t'es malade de te pointer ici On Bosson nous de Espèce d'idiot, j'étais au procès. Puis est-ce que je suis obligé de te répondre quand toi tu m'appelles Qu'est-ce que tu veux Mike, si je suis ici, c'est parce que ça tourne mal. La police m'a descendre sur mon secteur. la police te recherche et toi tu oses débarquer ici Attends, t'es malade ou quoi Mike, tu as où la tête toi Voilà dans si problème c'est à cause de toi. Tu sors d'ici. Il faut que je quitte la ville. C'est qui nous m'a gagné demandé ça la putain ok tu vas aller où. Gambie. ah non non non va pas en Gambie on va vite te choper là-bas va plutôt au Maroc j'ai des contacts là-bas tu vas tu te trouves un endroit sûr où tu vas te planquer moi d'ici je gère tout et je te reviens dans deux jours ok. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui La police de recherche en a un problème. Non. Rectification. Tu as un problème. Et j'espère que tu as une solution pour te sortir de cette merde. Ah oui, je vais l'envoyer loin d'ici. Très loin même. Non. Toi encore avec cette maladie. J'espère que tu vas pas le tuer. bien sûr que non. Je vais le faire sortir du pays. reconnaître que ce genre d'instants nous ont manqué. En effet. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai tenu à ce qu'on se voit, mais pas que. Ah bon 4 hectares sur la petite côte. Et j'aimerais que ce soit toi, Paul, qui fasse les plans. Je vois. Mais j'ai bien peur que... Je sais, Paul. Tu vas me dire, tu as bien peur que ce soit comme Paul Radisson. Mélanie, le fait que tu m'aies retiré les plans du Radisson m'a fait très mal. Je tenais à te le dire. J'ai vraiment pas envie de revivre la même situation. Regarde, on est bien comme ça. Alors que rien ne vienne gâcher cette ambiance. Tu as raison, mais les temps ont changé. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, c'est différent. Écoute, Paul, tu es le meilleur architecte que je connaisse. Et j'ai vraiment envie de te voir épanoui. Tu veux faire ça pour moi Non, pas pour toi, parce que tu es le meilleur des architectes. Tu iras voir les lieux quand tu veux. Tu coordonnes avec Pierre Seidi. Et tu as carte blanche sur tout. Et ça, quel que soit le prix. Le contrat. Ah. le signe. Tu savais que je te dirais oui Paul Gradel, tu oublies que je te connais comme les cinq doigts de ma main. Je suis Madame Gradel. Ah oui, c'est vrai. Trinquons au futur au futur. Mais. Tu es sûr que c'est vraiment avec moi que tu as envie de travailler Parce que si jusqu'à maintenant je travaille pas sur les projets au Sénégal, c'est parce que je sais que tous les architectes n'ont pas la même vision que moi. Alors tu es vraiment sûr de travailler avec quelqu'un qui a une vision non conventionnelle de ce qui se fait ici Je sais tout ça, Paul. Et c'est ça que je veux. J'ai pas envie d'avoir toujours la même chose. Je veux que ce soit différent. Et c'est toi que je veux sur ce projet. Alors cette fois, j'accepte de trinquer. Au futur. Au futur. Depuis le début pour procès, maa ngi lay gisal booy gradé. un vrai espion la. balaa nga nubaate da ngay jël booy bi plus compliqué que ça moment bi ñu waroon nekk dafa que tu es mon frère. j'imagine la suite ki mu jàpp ne moo rey gars je suis désolé pour une fois que tu veux te mettre avec une fille Je yàqal la ko maa ngi Qu'est-ce eh, que ngay mais lan ngay ce n'est pas ta faute xoolal gis nga ñii léegi ñu xibbi seen bët xam ni ko yow reyuloo actuellement je tiens une piste figure-toi que Mike Mike Radel, leur frère aîné là. oui. xamoon na ni manifestation day dégénérer. et il a essayé de sauver Franck. Ah, loolu mënu ko xam ñun élément de police yu ñu détaché woon ci manifestation bi xamuñu woon ne dafay dégénérer c'était censé être une manifestation pacifique juste ça je ne sais pas mais ak nu mu munti demee dinaa xam de bi espérons que nous gaaw ci li ngay tu sais Moussa tu sais lii Je ma lay ñëw wax ne mënuma ko wax ñëpp mais yow dama la koy wax Moussa jeel bi metti na to. Fi man yéenewuma fi sax kenn dugg fi et je ne sais pas si je pourrai tenir encore longtemps je ne sais pas. Hey, eh. Isa, tu es un diouf comme moi gis nga yow mosoo doon ragal suñu kër ragal amu fa te li la andi fi sa njàmbaar te dong la du leneen alors tiens le coup comme tu l'as toujours fait. Tu me fais confiance. Isa, l'ongama. ñëw baax dé de du <laughs> kottu na mel c'est. <laughs> j'ai tellement besoin de toi maman. <laughs> allez vas-y rentre ma chérie. Votre série revient après la pub.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 mais j'ai une question là, lay est-ce que tu penses que mën nga gagner procès je ne sais pas amatuma benn preuve pour disculper Issa amuma fenn fi ma jàpp. <laughs> c'est bien ça le problème Aminata dama que le bruit de sa carrière pap pape. ay procès yu métti yu def des procès qui ont affecté son comportement jusque dans la maison suma je suis dire lay wax moy sa pap lu situation bi metti metti il a toujours été confiant de fo a gëm preuve fu mu nekk mu lijjanti ko indi ko lu mu laaj mu jox ko ndax lan gëm ne fay gagné waxuma la ay de mais gagner à 2000%..! et c'est ça le secret de sa réussite. wax li yeb yomb na mais essayé de faire drôle..! papa a toujours un coup d'avance sur moi Les li ma mënoon de alors tu commences à faire ce qu'il ne faut pas Len la lay wax si tu veux changer la donne tu arrêtes de raisonner comme la fille de maître Beng. gis nga sa pap daf la xam bu baax a baax a te lépp loo xalaat xam te xam na ne am na yenn limites yoo xam ne doo ko franchir te tant que defoo ko doo ko bett. je vais essayer. essayer non mais Aminata essayer c'est échouer davantage bul mës a essayer Aminata da nga war a gëm sa bopp. du question ñàkk gëm sama bopp mais li may déranger mooy dafa am benn témoin oculaire bu taxaw ci kanamu ñëpp ne dafa gis Issa di tirer. mais témoin oculaire boobu ku la ne ko Aminata bul xeebal dara famille Gradel ak sa pap te témoin oculeur boobu ngay wax mais je sais pas moi peut-être que gisul bu baax. mais lu tax ngi dem damay merci ah maa ngi dem ne me pas je viens avec toi. monsieur Issa Diouf. Un avocat. sûrement Tchabi, mais may génnee <laughs> vous avez le sens de l'humour Excusez mon retard, monsieur le juge. Boumou Amati La séance est ouverte. le juge, si vous le permettez, j'aimerais appeler un témoin. Allez-y. J'appelle Madame Sissoko à la barre. Madame Sissoko, dans nga wax tey si suba ne Issa Diouf nga gis mu jour manifestation Oui, Wa la gis madame est-ce que vous Guiss sans ces lunettes Waouh bien monsieur le juge si vous le permettez j'aimerais faire une petite mise en scène lan nga tu ci loolu tout simplement tant que yaa ngi ci merci monsieur le juge madame Sissoko je ma verre mais c'est quoi cette mise en scène monsieur le juge nous ne sommes pas sur une scène de théâtre j'espère c'est quoi cette mascarade Monsieur le juge, si imagine, on voit Madame Sissoko sans ses lunettes. Ce matin, à a waxé identifié qui tirait, dafa lunettes pour gis. Donc cette mascarade dont parle maître Meng, mo ñu l'air léral histoire Si après ce subterfuge et cette belle mise en scène et que Madame Sissoko reconnaît encore que c'est Issa qui a tiré, est-ce que d'accord nga ñu procès pour demain xool demal j'ai confiance en toi. je le relève. Tant que les deux parties ont trouvé un compromis, j'accorde votre demande. Maître Meng, je abal cravate. Monsieur le juge, permettez-moi de déplacer mon client quelque part dans la salle. Garde, déplacez-le. Madame Sissoko, les tournel nga wax ma kan nga gis mu jour manifestation Qui l'a la Qui vous êtes sûr de ce que vous dites Sûr et certaine c'est une lunettes monsieur le juge vous faites et madame Sissoko identifier un individu sans ses lunettes à seulement 3 mètres de distance naka la avec certitude ne guise ne alors que la balle avait une portée d'une bonne dizaine de mètres sans compter chaos à poussière à mon jour manifestation peut-être elle est aussi hypermétrope votre honneur sauf qu'elle ne l'est pas elle a une vision courte ay lunettes u ñëpp les sol vous voulez vérifier cela aussi Tout il est la dese si bonne foi perte maître Meng. Monsieur le juge, je n'ai plus de questions. C'est nga. yaa ngi si reer bi ma dama xiif de. kan moo bañ <laughs> ça sent bon là. Hmm? ok tout à l'heure. ok. <laughs> Ok, je passerai tout voir. La princesse est bien installée Bonsoir Mike, je pensais que tu t'allais plus venir. Ouais, il fallait que je retrouve cette bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Et quelle est cette occasion spéciale ah, Ta rencontre. Je me vois flattée. Malheureusement pour toi, je ne bois pas. Oh, je savais pas. Comme tu ne savais pas que tu allais m'offrir un séjour dans ton appartement. Ouais, ça, j'avais omis de te le dire. Hmm. Mais de toutes les façons, on avait décidé de faire table de notre faux départ, n'est-ce pas Oui, c'est vrai. Tant qu'on a jusqu'à 5 heures du matin pour mieux se connaître, toi et moi. Enfin, plus ou moins. Je ne bosse pas demain ah, Si, je bosse à 6 heures, mais je suis prêt à sacrifier ma nuit pour plus excitant. Il n'y avait pas de message. Ça ne m'étonne pas. Il a supprimé les appels, les messages, toutes les notes vocales. Heureusement, je garde tout dans mon téléphone. Alors fais-moi savoir, Moussa, parce que je suis perdue en tes versions et les versions officielles. Mais les versions officielles ont été manipulées, Où est-ce que tu veux que je te fasse confiance Si tu n'avais pas confiance en moi, tu ne serais pas venu ici, Je suis ici parce que... Parce que quelque part, j'ai envie de te croire, Moussa. Écoute, je ne peux pas t'en dire plus, parce que je ne veux pas compromettre la paix sur laquelle je suis. Ton ego de journaliste est en train de prendre le dessus sur ta personne, Moussa. Alors tu vas rester dans ton coin. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus rien savoir de toi. Est-ce que tu me comprends, Je t'aime, Jessica. Oui, je suis amoureux de toi, Jess. Regarde-moi. Jess. Écoute, je t'ai menti, ok Et j'en suis désolé. Je t'ai caché que Issa était mon frère et j'en suis encore désolé. Je ne pouvais pas te dire la vérité, Jess, parce que je ne voulais pas en fait te perdre. Je ne voulais pas te perdre. Et tu sais pourquoi j'ai eu peur Regarde-moi. Jess, j'ai eu peur parce que je t'aime. Et ce n'est pas un mensonge. Jess. Arrête Moussa, ça, s'il te plaît. Ne me touche pas. Tu sais même pas à quel point est-ce que c'est difficile pour moi, Moussa. Tu sais même pas à quel point j'ai besoin de toi. Cette période est trop compliquée pour moi, je te jure. Tu es l'unique personne en qui j'ai confiance. Pourquoi est-ce que tu me fais ça Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. toi ça va aller. Calme-toi. Je comprends que tu vis très difficilement cette situation. Mais je te promets que je vais te protéger. je ne veux pas te perdre, Jess. La vérité, nous la découvrirons ensemble, toi et moi. Je te promets. Jess, regarde-moi. Tu as confiance en moi. Nous allons nous en sortir, ok Ça va aller. Every day look down some non mais t'as pas fait ça Bah si, je t'assure. Et crois-moi que j'ai plus jamais remis les pieds dans cette boîte jusqu'à aujourd'hui. T'as fait souffrir combien de femmes Beaucoup. Je suis franc, je marque un point. Hmm. Et c'est quoi ma récompense pour avoir marqué ce point Continuer cette discussion suffit largement comme récompense. Et si je veux beaucoup plus que ça Dans ce cas, ça serait du viol parce que je ne t'offre pas plus. Tu sais que Beaucoup de femmes sont attirées par le sadomasochisme. Qu'est-ce qui me dit que t'en es pas une <laughs> La question plutôt est est-ce que tu es sado Non, mais rien que pour te faire plaisir. Je pourrais l'être. Je suis en peignoir et je n'ai rien en dessous. je Il suffit de tirer sur ce bout de tissu pour que je sois complètement nue. Cependant, comme je le disais, ça serait du viol. Et j'ai horreur des violeurs, des pervers et tout ce qui est violence, surtout les violences sexuelles. Si tu ne t'intéressais pas à moi, tu n'aurais pas accepté mon séjour. Tu m'aurais pas ouvert la porte et surtout, tu ne serais pas dans cette position avec moi. Alors je crois que tu fais la dure, mais je te plais. Tu n'as pas tort. Tu es beau, charismatique. Tu as tout ce que je cherchais en mec, à l'exception d'une chose, le respect. Je ne respecte aucune femme. Et pour m'avoir, faudra me respecter. Me convaincre que tu ne me feras jamais souffrir, mm me courtiser comme un gentleman. Et peut-être ce jour-là, je dis bien peut-être, ce jour-là, je serai à ta place et non l'inverse. Et crois-moi, ce jour-là, peut-être ça sera beaucoup plus excitant. J'ai envie de toi, s'il te plaît. T'as intérêt à réfléchir avec ta tête qu'avec ton autre jambe. Ah ouais, tu veux vraiment jouer à ça Ça t'excite, non Soloro. Voilà qui est mieux. Je te l'avais dit, Drogba, à ce jeu, je suis le coach. façon, ce qui vient à Diouf reste avec Diouf, n'est-ce pas Ouais. Mais en même temps, avec ce que j'ai vécu pendant la mort de Franck, si j'ai survécu, je pense pas que quoi que ce soit d'autre puisse m'atteindre. Mais bon, je respecte ta décision. désolé que tu entendes ça. Franck, putain de merde, mais où est-ce que t'es J'arrête pas de t'appeler depuis tout à l'heure, je, t'envoie même des notes vocales, des, messages. Pourquoi tu réponds pas Où est-ce que t'as posé ton putain de téléphone Écoute, je voulais te dire une chose très importante. Ne va pas à cette putain de manifestation. Je sais que c'est toi qui l'as organisée avec tes amis, mais n'y va pas surtout. Je sais que ça va dégénérer. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. N'y va pas, Franck. Surtout ne te rends pas à cette manifestation. C'est hyper dangereux. Je t'en prie. Allez, rappelle-moi, petit morveux. Bismillah, si ribarum